Música de barrio que pasó, la la pared, mpaka somumuma akazalika sadikate akazalika bakipamumuma Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalambu présente l'artiste s'exprime. vous vous rappelez certainement de Mr. Taf. Il était hier sur l'émission que tu as la Muslim. Ouais, donc... On a parlé du parcours en question du combattant. Ouais, il mettait quand même le feu. Il a mis le feu au maximum hier sur cette émission. Ouais. Rabia Mekano. Big Taf est un DJ de renommée internationale. Il t'a fait bouger, il t'a fait danser dans les coins les plus chauds. Plein de fois. Et tu as écouté déjà un peu ce qu'il fait à travers ton émission. Ouais. Ça te fait quoi d'avoir un DJ euh, en face de toi dans une porte de nuit Qu'est-ce que ça fait Un meilleur DJ, un bon DJ je t'assure, dans des mois, en fait, je voudrais lui poser une question. Comment il fait pour savoir Ce qui va faire danser tout le monde. On dirait qu'il est le en fait. Et qui suit. Des sons qui se suivent, et puis voilà quoi. Oui, mais comment il fait pour trouver les sons qui, font danser tout le monde Il a déjà parlé de ça hier. Ah tu veux qu'il réponde encore à la question Oui, là, c'est vraiment une question qui me tient à cœur parce que. Didier moi, ce taf, donc, du coup, la Miss rime. et donc, dit la machine te souhaite une fois de plus la bienvenue sur l'artiste s'exprime. Merci à hein. Réponds à sa question avant qu'on rentre dans le vif du chichi. Comment lui de Comment tu lui euh, les pensées des gens Comment est-ce que tu arrives à, euh, n'est-ce pas, cerner, à comprendre que ce son doit faire plaisir à Rabi, à, aussi à toute tout la le monde, à, tout, le monde en fait. Comment tu fais En fait, comme je le dis, la définition de DJ même ça veut dire disc joker. Joker, ça veut dire ce que les gens attendent, tu vois. Mhm. C'est les jokers, comme un joker qui, fait les courses. Donc tu connais les sons au top. Bon, c'est pas que tu connais, tu dois savoir. Mhm. tu comprends Il faut savoir quoi mettre selon les rythmes, que ce soit du dancehall, de la musique traditionnelle, du rap, du coupé décalé. Tu essaies de savoir ce que les gens aiment et tu essayes, tu essayes, tu essayes jusqu'à trouver les pistes. Quand ça ne prend pas, tu essayes de rentrer ici. Si ça prend, tu décolles avec. Et... C'est plus un travail quand même. Ah Mais quand même, ça va. Et aujourd'hui, c'est de ce travail qu'on va parler. C'est du travail de Mr. Taf qu'on va parler de ses sons qui sont disponibles, de comment est-ce qu'il fait ses mix, des, sons, des featuring qu'il a, parce qu'en dehors aussi de mixer, il fait des sons avec des artistes On doit comprendre tout ça et avoir ses sons sur cette émission. Ah, franchement, tu as l'air sur tous les plans là, tu, tapes partout là. C'est une suite logique en fait. Quand, tu, quand tu animes, il faut que tu ailles des productions pour déjà pour ta renommée <clears throat> et pour aussi te faire connaître. Super. On va commencer par le commencement. Mhm. On sait déjà que tu es DJ en boîte de nuit et tu animes les coins les plus chauds de la capitale. Alors parlons un peu des sons euh, qui sont disponibles de Mr. Taf. Tu as commencé par quoi Il faut qu'il nous dise. Il doit nous dire euh, par quoi il a commencé. Et nous jouer un tout petit peu le truc et puis on veut de l'ambiance. Et c'est de cette façon qu'on doit euh, quand même euh, présenter euh, la deuxième franchement, partie de Franchement, DJ Taf, t'es là, il faut... Euh, nos, auditeurs qui nous écoutent de partout doivent profiter. Vraiment, <laughs> profiter de toi maximum. Eh, les gens qui aiment la musique, quoi. Ah, parce que c'est ça aussi, on change de partout. On a des éléments partout dans le pays. Voilà, donc du tu as commencé avec quoi euh, J'ai commencé avec ma moitié. Ta moitié Oui. Et ta moitié, c'est avec qui C'était avec Hamdi Malam. Hamdi Malam Oui. C'était ta moitié Oui. Tu as commencé, tu as chanté pour ta moitié on peut avoir le son Moi, j'ai fait l'instrumental et Hamdi s'est inspiré. C'est ça. Donc, du coup, vous avez fait plaisir à vos moitiés. Donc, du coup, tu vois, c'est quoi Toi, tu as C'est compliqué. C'est compliqué. <laughs> Balance-moi le truc, s'il te plaît, sur cette émission. Yeah, Rabia. Yeah. Ça en jette, hein petite. Ma moitié. Je peux jamais te quitter. Avec toi, je te quitter Jamais te quitter. Boulot, boulot, boulot. Eh, moi, moi, franchement, tu, tu es ma moitié sur l'émission. Tu es ma très chère collègue parce qu'en fait, tu, présentes le premier angle. Mon c'est une partie de moi. Bien sûr, bien sûr. Donc, du coup, la moitié, ça ne, peut, ça ne veut forcément pas dire. Euh, pas voilà, forcément, quoi. ouais. Voilà, ma moitié, tu vois. parce que quand tu n'es pas là sur l'émission, je suis pas content. Tu bah, vois, il me faut toi sur tout ça, la fada. Franchement, je te cache pas. Tu es ma moitié sur l'émission, tout ça, la fada. tu présentes l'angle 1, tu présentes l'angle 2. Donc, du coup, tu es ma moitié. C'est une vraie déclaration. C'est une Ah, bien sûr, franchement, elle est ma moitié. la star, c'est elle qui présente l'émission, tout ça, la fada. Euh, euh, n'est-ce pas, version euh, franco-aoussa. Alors, en dehors de la moitié, qu'est-ce que tu as encore chanté Il y a ce son-là qu'on appelle Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui ne va pas Dans le pays Non, non, non, non, non, non, c'est toujours dans l'histoire du cœur. toujours l'histoire du cœur. <laughs> Eh, eh, apparemment, il ne chante que pour le cœur, lui. Le bah, pas bah, du tout, hein. Ah, bah, explique-moi un ah, peu. Ah, ouais. oh, c'est quoi le truc Le truc, c'est qu'on chante ce qui peut manger. Et là, qu'est-ce qui ne va C'est avec aussi Hamdi C'est avec aussi Hamdi Malam. Ok, vous avez prévu. Ah, ok. Mhm. Là, fait deux sons avec Hamdi Malam. Voilà. Ok, d'accord. Alors, euh, comment est-ce que vous, avez, vous, avez, vous avez concocté le son Comment est-ce que vous avez, euh, je ne sais pas, explique-moi un peu. Tu fais le beat, il, va le pose dessus ou qu'est-ce qui se passe En fait, je lui, je lui propose un thème mhm. sur lequel il doit chanter. Mhm. Si possible, je peux même lui donner quelques lignes de, de, du refrain. mais après, moi, ça s'arrête là, je ne sais pas chanter. Je ne sais carrément pas chanter, mais je sais faire les beats parce que je connais le, un peu le rythme dans le son. Et du coup, c'est ça. Ok, ah, super. Alors, en dehors de ça, tu as une question. Mais taf. donc ça veut dire que les histoires de cœur, là, c'est toi qui, hein, c'est toi qui penses. Et c'est toi qui lui propose. <laughs> c'est toi qui propose le beat et même le refrain. Il faut, en fait, je fais des beats essentiels. Donc je sais que ça doit aller avec le cœur. Ah, c'est automatique en Le mec là, apparemment, c'est On va lui poser une question. <laughs> La question bête à la fin, tu vois, je dis pas Donc on, peut avoir déjà le troisième extrait de l'artiste. Oui, ça, c'est un son que j'ai fait tout seul. Ah, c'est quoi le truc C'est presque le son qui m'a lancé, c'est Zozabalista. Ouais, Zozabali, ça t'a lancé, hein, bien sûr. Parce que tout le monde a kiffé, tout le monde a aimé. Euh, on te voit déjà, on va déjà un peu suivre un peu la vidéo Zozabalista C'est juste après, on revient. Ok, bah tu, tu, tu enchaînes avec le son, tu es prêt, non Alors, Mr. Mister, Mister Taf, hein, il s'appelle aussi Mustapha. Alors, il va, il va nous balancer un tout petit peu la vidéo de Zozombolista 1. Eh. Hey. Ah. Zozombolista 1. Eh. Hey. Ah. Zozombolista 1. Eh. Hey. Ah. Zozombolista 1. Zozombolista 1. Regarde. Zaza Malista. Zaza Malista. Zaza Malista. Zaza Malista. Zaza Malista. Zaza Malista. Et là, on fait comment Le c'est ça Là, le ah DJ arrive. Ouais, c'est ça. Et c'est ça. On met le kyo. On met le Yeah, wow, wow, yeah, yeah, hippio. Ça, je prends mon couplet. Partenaire non, non, Attends, Dar il connaît mon couplet préféré. Attends, tu vois. Yo, attends. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, mon couplet. On m'appelle Mr. Dandy. Yeah. Je suis avec Mr. Taf. Yeah. Nous sommes sur le studio Kalango, everybody. Je suis avec Mr. Taf. nous sommes sur le studio Kalangu. L'artiste s'exprime. Dandy, la machine, RM non, tu es fort. Voilà, hé, eh, mais boule, boule, boule, boule, Alors, là, là, on a tout tiré. Là, ce que je vous avez la c'est le son. Hein, les gars. Alors, bien sûr, bien sûr. J'ai le flow qu'il faut, lui, il sait déjà. J'ai le flow qu'il faut. Je vais faire un beat On va faire un beat. Donc, en dehors de ça, et tu as fait encore quoi euh, ma toute dernière sortie est sortie alors il y a deux jours. Ah. Ouais. Il a 10 000 vues. Donc du coup, deux jours, 10 000 vues. Alors c'est de ça qu'on va parler. ok d'accord, pour qu'on puisse encore lui donner la visibilité sur cette émission. Parce que DJ Taf quand même c'est un DJ euh, qui fait notre fierté. Ok d'accord, et là le featuring c'est avec... Euh, avec qui Ouais, bien sûr. Barakina, ah, Bawan Allah. Donc le featuring avec Barakina, Bawan Allah, ça donne quoi Haka. Zalika. Bah, c'est quoi Qu'est-ce que vous allez dire par Akazalika Akazalika, bon, tu sais, dans la vie courante, il y a des gens qui te souhaitent malheur, il y a ceux qui te souhaitent malheur. Oh, tout ce que tu me souhaites, je te souhaite la même chose. Si tu m'aimes, bon, c'est bon, on a c'est Si tu m'aimes pas, on fait la guerre, on fait la guerre. Si, tu m'insultes, tu je t'insulte. C'est ça qui est Ça C'est pas un clash en fait, c'est. C'est une façon de parler. C'est une façon. C'est la vie courante. Mais vous te rallier. Ah. Tu me fais du bien, je te fais du bien. Tu me fais du mal, je te fais du bien. <laughs> Tu peux rien faire contre. bien sûr. <laughs> Il n'y a pas de souci, qu'à Hakazalika. Moi, je sais que tu dois me kiffer Hakazalika. Moi, je, te Non, je sais que tu n'as, moi, je sais que tu n'as rien contre moi. du coup, Hakazalika, ah, moi aussi, je n'ai rien contre toi. On peut avoir Hakazalika sur l'émission Bah oui. Et c'est avec ça que nous allons finir cette émission. Ok, d'accord. Mais avant cela, sur ce beat, tu vas lancer un message un message à l'endroit, bien évidemment, de tous qui suivent cette émission, puisque c'est le deuxième angle, ok, d'accord euh, euh, euh, un message à l'endroit de tes fans, pour qu'ils aillent sur ta page Facebook et, ton Instagram. Il nous faut donc avoir tout ça dans ce message. L'instant est solennel, donc tu as une minute de temps d'antenne, juste après, à Si tu nous veux du bien, à ni <laughs> super alors on t'écoute bah, franchement euh, les gars Lego ou bien disons Nigériens et nigériens comme le dit on dit souvent ou le président de la République mhm. comprenez qu'on a besoin de votre soutien donc tout ce qu'on fait n'a aucun sens si vous ne nous soutenez pas nous on fait parce qu'on aime et on aimerait bien que de par notre travail qu'il y ait de l'engouement, de la progression surtout. Et donc, on vous invite quand même à nous soutenir en cliquant juste des likes, en suivant nos pages, en allant regarder les vidéos, en partageant et en assistant aussi aux événements qu'on produit. C'est comme ça que tous les artistes du monde font pour prospérer. Ton Instagram, ta page Facebook, euh, euh, tout ce qui va avec ça toi, on peut les avoir euh, sur cette émission Oui, oui, c'est pour moi, Facebook, c'est DJ Mastertaf. Comment on l'entend comme à l'entend. Mhm. Euh, mon Instagram, c'est DJ Master Taf, Mon YouTube, c'est DJ Master Taf. Tout est Mr. Euh, il y a mon Snap aussi, là où je fais beaucoup de délire. Euh, c'est DJ Master Taf, mais l'identifiant, c'est Tafa Gouro 91. Super. Ravi, nous sommes à la fin de la rubrique. On fait un peu le chaud, l'ambiance Vraiment Oui, bien sûr. On s'éclate parce qu'on a, on a la chance d'avoir un DJ. Hein. On te faire la sans ambiance, c'est ça notre truc. On bouge sans souci quoi. Akazalika. Akazalika. Akazalika. Akazalika. Akazalika. Akazalika. akazalika hafala shati zalika muka akazalika da fita haka zalika zaki taka kite akazalika zalika ba mu da abun daɗi gwamma abani bani abun daɗi eh. in sha zuma in sha madara eh. har da maganin zayi ma bu kai gaba dai gaba dai eh. gaba dai kullum gaba dai ni so mala fadra da gwi da dalma siyan finish finish finish finish mutai mutai a ah, yanzu aka zo wajen suna cikin ka cuka cuka cuka wani karin ba uban da ki fita